depuis ñaata at ngay tok sans salaire liggéeyoo fo taxaw ñu néna du fi parce que opposant nga nga wara yor sa njaboot yor sa dom yor sa kër wara fay loyer wara yoré sa yaay wara yoré sa papa té kenn ku ci nekk ci ñun di ko on ne travaille pas on était ñun dañoo am dañoo interdire ñu liggéey. ñun kenn duñu jël poste ya ñu nekkoon dañ hmm. wala ñu dàq ñu définitivement.

tey da ngay gis koo xamante ne day solu ba jekk dem ci benn marche bu pacifique jékki-jékki ay nervi yëkkati yëkkati ko jagat jagatee ko yóbbu ko ba technopole dóor ko ba muy bëgg a dee waaw am na fii Sénégal te patriotes yi lañ ko def tëj ñu ah, tey président Macky Sall dem ba xam ne nekkul woon ci dëgg pour sauver moom sa propre peau et sa dellu ginnaaw indi fi loi d'amnistie wëlbatiku delloo ñu yépp li ñu moom ah, ñu ne tey dañu gate ñun tey lañu gate ñun kon ak ñu ñoo yéex a gate ñun rek kon ñoo mérité ku ñu gate ñoo ñun ñun ku ñu gate dang ñoo war a gate ku ñu gatewul dang ñoo war a gate parce que nag on a on a enduré dans ce pays on pour ce pays te li taxoon ñu nangu ko toog suñu kër yi ne pat ak suñu ngor demuñu fenn yuuxu ko laajuñu kenn ñaanuñu kenn taxawaaluñu wuñu bureau kenn te pourtant ñoom ñëpp xam nañ leen ñaanuñu kenn njekk dañ koo dund ak suñu ngor ba yàlla jeexal ko waaw léegi ñu bëgg ne président Macky Sall moo ñu gàtte lépp suñu borom lay dellu te allah kulli aal ñun moom lañ tegoon lépp si loxoom question la contribution hein? par rapport à parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été soulevées, qui ont été soulevées ici tu es libre je commence par le cas de Diouf Non mu tudd sax hmm? nu mu tudd Diouf euh, l'activiste, je vais, commencer, je vais commencer par le cas d'Assan Diouf. Mm. Bon, je suis un peu partagé par l'analyse qui a été faite ici. Je pense que tout le monde a le droit de faire mm. am ñoo peut être Ousmane Sonko ils n'ont pas confiance en Diomaye. Mm. je vais parler pour mon cas. je faisais partie parce que man j'ai bi may de naa déglu intervention que peut être ñu bëri xamuñu ko woon mais il naa récemment maa ngi gis ñu ngi attaqué physique du genre amul charisme ni ce qui n'a pas de sens je ma doon metti su alors que la personne ak euh, le caractère pointu de sa réflexion et hier plusieurs personnes ont eu une surprise buñ ko parce que quand on parle de programme hier il a touché plusieurs aspects de son mm. programme mm. man j'ai lu pratiquement le programme de tous les candidats, sans exception. Hier, il est revenu sur plusieurs arguments de son, plusieurs éléments ou plusieurs points de son programme, ce qui est à saluer. Parce que Togna, Nit au début, il avait aussi une moquerie, il voir et tout, comme la foule. Mais hier, vu que sur politique aussi, quand il a écouté Jomai, il m'a dit carrément que ndekete dafa a une fausse appréciation de la personne mm. mais dorénavant <coughs> ça montre que la perception qu'on avait sur la personne est biaisée et elle est fausse mm. moi qui qui est tendance au bi ma ko yàggee déglu xamoon je nu mu mel ah ban euh, intellectuel mm. et hier il a su démontrer ça à travers son, son, son, discours ou son entretien avec les deux journalistes. Mm. Par contre, je pense que tout le monde est libre de faire de faire fulen mm. je pense que ça c'est c'est quelque chose boo xam comprendre. on est dans une société où certes on est am nga mais on dans un autre camp une certaine euh, dans une euh, confrontation perpétuelle ou une confrontation sans fin je mm. pense que chaque candidat ou chaque personne a le droit faire faire ko veut maintenant pour revenir au cas de de l'amnistie hmm. je trouve qu'on doit apprendre de nos erreurs parce que le président actuel tout ce qu'il a fait du début à la fin je peux dire la grande majorité de de def sur la légalité c'est-à-dire tout ce qu'il a fait ce sont les textes sénégalais qui lui ont permis. Du point de vue moral, quand on parle de légitimité, cela peut ne pas être euh, juste ou accepté. C'est-à-dire Mais du point de vue de l'égalité, l'umu yon moko Et c'est très dommage, nous bagnons pas... les programmes. Nous bagnons pas... quelles sont les causes pour essayer de les changer. Mm. Je donne un cas. Mm. Je donne le cas de du président Ousmane Sonko koy japp yoon moko may mu jël tej ko mok maintenant qu'est-ce qu'on devrait faire nous on devrait se concentrer sur le programme et essayer de voir quels sont les mécanismes pour changer cela mm. je dis notre premier problème notre problème en matière euh, en matière judiciaire mm. avant même de parler des institutions mm. notre premier problème en matière judiciaire reste l'article 139 du code de procédure pénale qui dit que nous vous diggante l'article 56 exemple, 100 code pénal nous avons ñu la mën mandat de dépôt de 6 à 2 mm. ans que ce soit correctionnel ou criminel mm. mais loolu est ko def et le juge d'instruction qui est censé être libre que vous le fassiez. donc aujourd'hui on doit se concentrer sur les programmes essayer de voir quels sont les mécanismes qui nous permettent qui vont nous permettre de rétablir la liberté, le principe de la liberté, qui est un principe à valeur constitutionnelle et fondamentale, de rétablir notre état de droit. Mm. ce sont des points qui sont essentiels. Mm. Mm. Comment faire pour le problème que nous avons, c'est le magistère ou Macky Sall, nous qui est très intéressant sur la bonne gouvernance. La justice et la bonne gouvernance sont deux, deux, facteurs là, ils sont liés. Si on est dans un pays où la justice n'est pas libre, on ne peut pas avoir une, bonne une politique liée à une bonne gouvernance. Pourquoi Parce que si celui qui est censé ou qui est la charge de pratiquer, de faire valoir la justice, il a les prérogatives qui lui permettent de faire valoir ko comme top bonne gouvernance day et c'est une chose à changer parce que il faut donner à la justice sa liberté bu koy permettre mu mun a topp képp ku top pour a topp ngir dal sa kaw dama doon wax ak démb sam benn xarit bu il euh, Adama Camara di ko saluer mm-hmm. dañ doon waxtaan ci wàllu bonne gouvernance ak wàllu euh, dëkk nan ngay def ba indi nit yi ci tourisme ba ñuy ñëw bëgg sa je donne un cas aujourd'hui le Maroc il est considéré comme Dubaï ou Afrique ce nga lu waral dire parce que le train de vie Maroc il dafa wàññeeku parce que nous, jiite Maroc c'est l'intérêt de la population qui qui a été mise en avant au détriment de l'intérêt d'une minorité de personnes te loolu aspect euh, impact yu muy am mooy day tax aujourd'hui Maroc PIB euh, richesse de dëkk bi day parce que ñëpp le transiter mm. deuxièmement population c'est un train de vie day wàññeeku aujourd'hui Maroc c'est le Dubaï aujourd'hui de l'Afrique mais il y une bonne politique liée à la gouvernance à la bonne gouvernance mais ici ça n'existe pas et c'est dû à quoi c'est dû à une mauvaise gestion de nos institutions et si on règle ça je le vois sur la base des programmes tous les programmes on se un critère critères si on arrive à régler ça je voudrais revenir aussi sur un point récemment on a soulevé le point de vice-présidence dina tontu kon est ce que ma wax baaxul tontu ba pare mu doog wax. allez-y allez-y xaaral xaaral déglu ko si ba pare. waaw Sonko ngeen di carte vice présidence voilà. ah non je pense que le président Diomaye Faye li mu ci wax leer na. c'est-à-dire le poste de vice président li ko gën a indi mooy impartialité. c'est-à-dire réew mi bañ a nekk te réew moo xamante ne lépp kenn koy dogal mën na bañ a nekk mën na sax nekk koo xamante ne nekkul ci parti bi. Hmm. te loolu foog naa ne président Ousmane Sonko joxe na ci leeral. Hmm. donc c' est pas obligatoire que président Ousmane Sonko mooy nekk vice président. président Ousmane Sonko mën na nekk président de l'Assemblée nationale hmm. pourquoi pas un régime parlementaire. plutôt man non man je je. en tout cas man li ma xam mooy président Ousmane Sonko. il va occuper bu fekkee ne dina bokk ci gouvernement bi un poste stratégique bon man pour revenir... xam ne wax dëgg yàlla Au Sénégal moom dinañ li li jomaay woote. Jubel, jubel, jubanti dina fi am. donc donc pour bu Vous dina occupé. am poste pour revenir pour revenir ci poste bi eh. bon man je trouve que euh, le président Ousmane Sonko il a bien répondu la fois passée. Pourquoi Parce qu'il a mis de côté tout ce qui est poste de vice-président. Il a expliqué le pourquoi de nuit indi vice présidence pourquoi New indi ce poste là déjà il a écarté le poste pour voir un du le moins important mais li oh. il est vrai qu'on est dans un régime qui est hyper présidentiel mm. un régime où le président concentre l'ensemble du des pouvoirs mm. et ça c'est extrêmement dangereux je disais souvent que notre président doit bu roi oh. maintenant le problème il a été réglé différemment dans d'autres pays par exemple, en France, dans leur réforme de 2008, bon, peut-être avant, mais dans leur, dernière réforme, en France, c'est le Premier ministre qui détermine la politique de la nation. Ici, le Premier ministre, ne détermine absolument rien du tout. C'est-à-dire son rôle, c'est-à-dire coordonner. Mais il ne détermine pas une politique. Et c'est la raison pour laquelle toutes les politiques en France ont été portées par un Premier ministre. Donc, pour ce faire, en France, ils ont réglé le problème. Le président le Premier ministre, mais mënu ko teggi amul droit destituer ko yoon mayu ko ko nan la destitution mën a amee premier ministre mooy joxe lettre de démission am question de confiance mm. dem assemblée gars yi ko mm. ça c'est une ça c'est des mécanismes qui permettront de réduire le pouvoir du président au sein de l'exécutif et c'est c'est une chose qui est très intéressante pour man maintenant je voudrais apporter juste un dernier point sur ce que j'ai pas trouvé sur le programme et qui me semble être très important de tous les programmes, qui me semble être très important, programme Muliman. Le premier, moi, la déchéance de droits civiques. Autrement dit, sous nous avons magistère ou président Macky Sall, plusieurs candidats, beaucoup aux élections, qui ont peine accessoire. Parce que la femme peine, euh, elles sont principales, complémentaires, accessoires, car je expliqué. Peine accessoire, moi, juge de l'éthique, de une condamnation nga dem ci code de procédure pénale gis ne condamnation boobu dalay teg dalay tere nekk candidat ce qu'on appelle une déchéance de droit civique say droit civique la koy mais une peine accessoire moo la koy perte loo réew yu seen démocratie yaatu yu seen démocratie jëm kanam da ngay gis ne la déchéance de droit civique juge moo koy prononcé te loolu day renforcer la liberté le droit de war a bëgg bokk ci élection le président il a utilisé ces mécanismes ce mécanisme pour éviter n'importe nit ñu candidat donc pour moi, il serait judicieux aujourd'hui d'essayer de penser à outil, l'unité déchéance de droits civiques sur un autre point je ne vois pas la responsabilité pénale de nos ministres et ça aussi c'est un point qui permettrait de veiller à la bonne gouvernance mais on ne le voit pas et c'est quelque chose de dommage on aimerait bien que gars y réfléchisse pour sécuriser le futur de yëpp ils ont une responsabilité pas une responsabilité pénale dans notre constitution il n'y a aucune valeur constitutionnelle sur ces responsabilités Par exemple euh, il nous Sonko ak sommes Mbaye Niang ginnaaw mu euh, le euh, le 4 juge prononcé au ko Ousmane Sonko radié de ko pourtant ñom doon ne Ousmane Sonko radio. ko. sur l'affaire Mame l'affaire non l'affaire Mame concernait la diffamation. Hmm. sur la diffamation motax bokul mais ce que j'explique moi, bi ko né diffamés, la diffamer, da nga diffamé dañoo dem ci code de procédure pénale bi ñu ne suñu la tëjee ci peine bii nii. 6 hmm, mois yi 6 mois yi code bi de nee na yow lii mënoo ci bokk élection ce qu'on appelle une peine accessoire. Hmm. c' est à travers cet article lañ lay teree bokk. élection xaaral ma ñëw dans dans cette dans cette dans la logique man bu ñu bëggoon ñu dem. Hmm. dans la logique. lu ñu war a def mooy la déchéance de droit civique c' est à dire ñu ne la yow say droit civique bokkatoo ko amatoo ko juge moo ko war a joxe mais pas de koy fekkaat ci ay code loolu une sécurité juridique vis-à-vis à la liberté des citoyens ak liberté ñu bëgg élections élection je sais pas si il a dès nañ ko ndax la procédure bi lors loi amnistie publié que et tout ba mu acté génn si tel est le cas peut-être il pourra il pourra aller voter à Ziguinchor loolu laay ce n'est que la procédure et déjà nañ ko dem na ba mu jeex peut-être mën na dem voter parce que dañ koy delloo droit à mieux c'est clair exactement Eva avant euh, hmm. euh, l'a dit, question <laughs> Euh, kan l'a posé voilà Eva. voilà Eva parce que il y a une loi d'amnistie qui a été votée à l'Assemblée nationale je crois que beaucoup beaucoup parce que on a écouté Basir Diomaye hier si son entretien avec Fadjiri, même si il a dit que euh, vous vous n'êtes pas d'accord pour la loi euh, mais la loi bi moo tax tamit ngeen donc nous euh, bëgg a xam ndax yéen boo leen euh, vous allez abroger cette loi peut-être idéale, si vous jugez nécessaire que le fi amoon comme ay sang ay crime depuis mars 2021 ba juin 2023 si vous jugez nécessaire que ni que ñooñu war nañu leen topp wala war nañu une enquête pour xam réellement lan moo am est-ce que dans ce cas doo leen am dilemme wala yéen boo leen ñëwee dinañ ko abroger yéen da ngeen bëgg a abroger euh, concrètement loi boobu ou pas. bon parfois, euh, loi d'amnistie bi c'est vrai que ne bañ koy yëkkati. Mhm. sénégalais yu bëri euh, nanguwuñu ko woon. Mhm.

munuñ ko baña a munuñu koo bañ a baña baña baña baña baña saytu munuñu bañ def enquête ci lolu mhm. parce que ñew rek ray fi ay doomu sénégalais wax deug yalla nga ñew def sa loi d'amnistie ne amnistie